non pour Amadou Ba je vais répondre de façon frontale à l'émachalat. oui ah, vas-y. kenn rek moo am légitimité hmm. pour porter couleur à pair pour faire le Dakar Moi Amadou Ba. Hmm. c'est le ah patron politique de Dakar Le législatif, dem législative que candidat gagné donc moment bi may wax yow parce que je suis tête de liste de Dakar logique politique. mon moi candidat ou à perdre les naa une question. maintenant hmm. hmm. non c'est une question importante. Hmm. présidentielle. le euh, beau boolee li opposition ils ont perdu Dakar. oui mais non il faut savoir que présidentielle. Maki dafa progresser par rapport à dernière. Ah mais ils ont quand même perdu. Dakar et puis Dakar c'est compliqué c'est la capitale. Mhm. c'est-à-dire que en science politique ñëpp xam nañ ni le pouvoir perd la capitale. en mais général mais ni mu ko perdree ne mu ko au contraire faut progresser sax par rapport à l'élection. élections donc kooku mënuñu ko considérer comme défaite. maintenant surtout avec le système du raw maintenant maintenant le cas Amadouba, Ba man dafa am en ma ci xalaat personnellement xam nga euh, nit lenn mooy base de collaboration ci sama gis-gis mooy confiance. xam nga Amadou Ba par yaa ngi nekk ministre des affaires étrangères ñu jël sénégalais de l'extérieur jox ko keneen mënoo leen rencontrer jël coopération jox ko keneen loolu dafa am yow en tant que ministre des affaires étrangères loo ci war a jàng. les nga man daal du ma nekk ci gouvernement boo xam ni wóor na ma ni ki jiite réew mi man. loolu sama sama gis-gis la. da ngay da ngay analyser non non non. alors ah, si